du peuple sénégalais suite au rappel à Dieu de Bakary Goïta, père du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le message de compassion et de solidarité est porté par quatre ministres sénégalais. La délégation reçue ce dimanche par le président de la transition, chef de l'État, est conduite par le ministre d'État envoyé spécial du président Macky Sall, Tamsir Le Sénégal manifeste sa solidarité à la nation sœur malienne dans l'épreuve douloureuse de la disparition du capitaine Bakary Goïta, père du président de la transition, chef de l'État. Le peuple et le gouvernement du Sénégal se joignent ainsi à leur chef de l'État, Macky Sall, pour exprimer leur compassion et leur sympathie au peuple malien, d'où la présence de quatre ministres de la République du Sénégal aux côtés du président Goïta ce dimanche 16 avril 2023. Et cette présentation de condoléances dénote que le Mali et le Sénégal sont liés par l'histoire et la culture. Le président nous a demandé de lui rappeler que le Sénégal et le Mali sont liés par l'histoire, la géographie, le sang, la culture, la religion, l'économie, le commerce, entre autres. Quand son Excellence le Président de la République a euh, eu la nouvelle en plein Conseil des ministres. C'est là où il a décidé d'envoyer cette forte délégation pour témoigner l'affection qu'il a par rapport au chef de la transition, au président Koïta. Vœux de bonheur, de prospérité pour lui et tout le peuple malien, mais surtout des vœux de succès dans l'accomplissement de sa rude et redoutable mission. Et l'autre aspect non moins important, c'est la vision panafricaniste des autorités de la transition qui est appréciée à sa juste valeur par Dakar. Mais au-delà, l'idéal du panafricanisme pour une Afrique libre, une Afrique prospère, une Afrique unie, fondamentalement ancrée dans les valeurs du panafricanisme. Et au-delà, une Afrique dans un contexte de mondialisation, de, recomposition géopolitique, géostratégique, une Afrique qui doit jouer un rôle assez important. Outre le ministre d'État Cheikh Kanté, la délégation était composée de ceux de l'eau et de l'assainissement, de la communication et de la culture. La délégation a ainsi remis la lettre de condoléance du président Macky Sall au président de la transition colonel Assimi Goïta. Pour le président Assimi Goïta, c'est un geste fort et inoubliable, surtout en pareille circonstance qu'est la mort.